nekk dëkk goo xamante ni daanaka booy xool dëgg la tubaab bi am nañ ci luñ ci joué lu bëri mais ñu dem bu ñu fàtt suñu démb nga xamante ni suñu mag ñu fi nekkoon yëpp ci diine lislaam lañ nekkoon doon ci woote di ci def seen kéem laay kàttan loolu amoon na fi mais dañoo ñëw génnee ko ne rey moom ñu rey moom loolu daanaka perte la mais fekk du perte yàlla du waxantu suñu bëggee dund rek nañu tëral li nga xamante ni moom la wax. jàmm eh, di ñaan jàmm suñu réew mi ak li ko wër ndax jàmm rek moo am solo. Eh, jàmm la ñuy ñaan ci réew mi initiative bi gendarmerie jël dañ koy rafetlu en tant que citoyen sénégalais parce que Sénégal dafa nekk dëkk boo xamante ni dañ ne dëkku teraanga la dëkku jàmm la mais c'est pas vrai parce que mënoo dox ci dëkk bi léegi booy génn sax fit dootul dal boo bàyyee sa kër sax sa fit dootul dal parce que da nga yaakaar ne nit dina la wuutu sa ginnaaw kër def fa njombe wala yow ngay dox ñu def fa njombe léegi lan moo am ci dëkk bi allo diw dee na lu ko dañ ko jam lan moo ko lan lañ jël ci moom benn kalpe wala benn c'est pas portable wala mun naa loolu dafa war a denc ci dëkk bi dañ ko war a rafetlu police gendarmerie lépp luy kaaraange goo xamante ni si citoyen sénégalais yi la jëm dañ ko war a rafetlu nañu bàyyi tamit sénégalais yi di déstabiliser police ak gendarmerie parce que ñoo yor suñ kaaraange lu xew lu ne ci ñoom la ñëw lu xew ci ñoom la ñuy woo ñoom ñooy def seen enquête malgré peut-être lu nekk day am faay mais nañ essayer comprendre mais pas c'est la meilleure décision à prendre parce que vu les agressions euh, qui se font depuis un moment il n'y a rien de mieux que de renforcer la sécurité de la population et de mettre la population dans de bonnes conditions pour pouvoir circuler en paix librement sans, sans quiétude. Euh, bon, juste, euh, juste encourager la gendarmerie et le gouvernement dans dans tout ce qui se fait de mieux pour le bien-être de la population. Bon, je pense que euh, c'est une bonne décision hein, que nos forces de défense et de sécurité ont prise. Euh, je pense que c'est venu même à son heure euh, que d'être plus proche des populations, parce que c'est leur rôle aussi. Hein, voilà que essayer un peu de sécuriser les populations je pense que c'est le rôle. Mais aussi, euh, je dis qu'il ne faut pas euh, attendre que les, comme on que les crottes soient cuites pour, pour, pour, pour, agir de cette façon. Euh, moi, j'aimerais plutôt qu'ils le fasse en amont, c'est-à-dire quand il y quand on est en, en paix, il n'y a rien, il faut toujours veiller sur la paix euh, euh, voilà, euh, et la sécurité des populations. Ne pas attendre quoi. voilà, nos prédécesseurs, il ne faut pas que aussi ça, ça, se gâte entre les mains de ceux qui sont là aujourd'hui. Hmm? Il faut préserver cette paix, mais comment en doublant de vigilance que les gens, que nos forces de défense et de sécurité travaillent en et les traquer. Il faut les traquer. Voilà, c'est tout.